du studio Kalangu, bonjour. Nous sommes mardi 4 juillet et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Samira Wafi et à mes côtés, Rukayetu Abdraman. La technique est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons la grande dame de fer Adama Dawaki. Bonjour Ruki, comment tu vas Bonjour Samira, ça va et toi Oui, ça va, Dieu merci. Super, qu'avons-nous euh, au menu de ce soir comme d'habitude, Rukaya, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec le flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, euh, nous parlerons santé, notamment de la carie dentaire, une maladie bucco-dentaire qui attaque euh, les enfants et aussi euh, les adultes. Dans la rubrique Entretien du jour, fidèles auditeurs, nous recevons Siliman Weifan promoteur de l'entreprise Air Taslaft Service qui intervient dans l'hygiène et l'assainissement et coordonnateur national du cadre de gestion des déchets d'Afrique au Niger. Hier 3 juillet, c'était la journée mondiale sans plastique et à cet effet, avec lui, nous allons parler des efforts de cette entreprise dans la gestion des déchets et ce qui entrave cette société de la réduction du plastique dans la vieille ville d'Agadez. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport et un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique en français et en Hausa. Nous allons après finir avec les messages vocaux que nous recevons de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement en notre compagnie. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rukaya, comment ça va Ça va très bien. Alors, euh, pour on va commencer ce flash avec une bonne nouvelle pour les populations de la zone du fleuve. En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Société nigérienne d'électricité a annoncé hier la fin du dépannage de la ligne d'approvisionnement en électricité de Dosso, Tilaberi et Niamey, soumise à de longues délestages depuis le 27 juin. La Nigérienne d'électricité a informé de la reprise de la fourniture du courant électrique. Cette panne était liée à la chute de cinq pylônes de transport d'énergie de la ligne d'interconnexion Birninkebi, la principale source d'approvisionnement en électricité de cette partie du Niger. Ensuite, euh, les directeurs euh, généraux et directeurs africains de la protection civile ont ouvert hier 3 juillet à Niamey les travaux de la septième réunion des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Placée sous le thème Une protection civile sans frontières pour une Afrique résiliente, la plateforme africaine, cette réunion a pour ordre du jour plusieurs points, à savoir la présentation de la gestion des risques de catastrophe au Niger, le suivi de l'allègement des arriérés proposés à Rabat et l'évaluation de la prospection auprès des missions permanentes des potentiels États membres. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'elle porte sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'Organisation internationale de la protection civile pour l'Afrique par le biais du bureau régional et de trois autres entités que sont le Centre régional des opérations d'urgence, l'école régionale et de l'entrepôt régional. Et enfin, dans ce flash, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger a entamé hier à Dosso un atelier de formation des organisations de promotion et de protection des droits de l'homme au Niger sur le contenu, le monitoring et le rapportage sur la situation des droits de l'homme durant cinq jours, cet atelier vise comme objectif de contribuer au renforcement des connaissances et compétences des acteurs de la société civile pour une meilleure contribution et participation à la promotion de l'état de droit, de la gouvernance, des principes démocratiques et des droits de l'homme conformément au plan d'action adopté à cet effet. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, euh, comme invité ce matin, nous recevons M. Siliman Waifan, promoteur de l'entreprise Ayerteslav Service qui intervient dans l'hygiène et l'assainissement et coordinateur national du cadre des gestionnaires des déchets d'Afrique au Niger. On s'est entretenu avec lui sur la gestion des sacs plastiques et déchets dans la ville d'Agadez. Dans cette partie, il parle de leur contribution dans le développement local. Mais avant, nous allons d'abord, fidèles auditeurs, écouter d'accord du groupe de rap Fahamai qui fait partie de la old school, Samira. Exactement, le titre Doko qui veut dire doquer et chanter euh, pour mettre en valeur euh, ce métier. Chers amis euh, auditeurs et auditrices, vous venez, vous êtes plutôt en train d'écouter ce titre et j'espère que vous êtes en train de le kiffer tout comme nous. domin su ɗauki katon sai ka ce bindigau ma'aikatan gwamnati ma ah. su ma fa 'yan da ne domin suna da aiki domin su samu kuɗi hey fa ya dinga fino sanwa C'est là le euh, groupe Famille avec le titre Dako que vous venez de kiffer avec nous. Alors, comme annoncé, euh, chers euh, auditeurs, écoutons notre invité, Monsieur Siliman Wefan, promoteur de l'entreprise AIC Service. Dans cette partie, il nous parle de la contribution de leur établissement dans le, développement local. Je me présente au nom de Siliman Wefan, le promoteur de l'entreprise AIT Service, basé à Gadez. Parlez-nous un peu de air Self Service. Euh, oui, au fait, euh, <clears throat> la structure euh, AIRT Self Service, quand vous prenez TESLAF, c'est un mot tamagé qui veut propriété. Euh, nous a parvenu étant jeune activiste dans le domaine de l'environnement, à travers pas mal des activités volontaires qu'on est en train de faire dans la région d'Agadez, plus particulièrement dans la commune urbaine d'Agadez, sur la question des salubrités qu'on fait chaque week-end et on se dit que pourquoi ne pas créer une structure qui va créer d'emplois à la jeunesse, qui va contribuer à l'embellissement de la ville et aussi protéger l'environnement. C'est dans ce sens que en 2018, que on a eu le soutien pour euh, créer cette boîte que je suis le promoteur. Euh, ça a été commencé en 2018, vers le 2, 8e mois 2018. Au début, L'entreprise, il a créé à peu près 35 emplois de jeunes qui travaillent, qui font la collecte de déchets au niveau de, ménage. Et en même temps, il y a le service de plantation d'arbres, il y a le service de nettoyage pour tous ceux qui est nettoyage au niveau du bureau. Euh, avec le temps, on a mis à mettre une stratégie, un service de, du ménage, si on peut le dire. en forme des jeunes filles qui ont abandonné l'école pour qu'ils puissent avoir un boulot, on essaie de les former sur la question de cuisine, le lavage, tout ce qui est ménager. Et au lieu que les gens puissent aller chercher de bonnes qui ne savent même pas d'où ils viennent, nous on vous donne ça, qu'il va essayer de travailler avec vous. À la fin du mois, ils ont un salaire. Est-ce que vous avez euh, eu à développer des projets verts au profit euh, de la population à travers euh, cette entreprise On a pu développer aussi un projet à travers l'entreprise, à de nommer Agadez AXA, qui veut dire Agadez verte. C'est une activité qui nous a permis à planter 1000 arbres au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Au fait, c'est pour inculquer la question de protection de l'environnement au niveau de la population. Au niveau de chaque foyer, on essaie de planter un arbre. Et on te donne à ta responsabilité de veiller sur la protection, sur l'entretien de cet arbre. Et à la fin de, de mois, on essaie de valider qui vraiment a pu tenir pour euh, l'entretien de cet arbre. On essaie de primer le 3 premier de chaque quartier. Est-ce qu'il euh, y a des activités que vous avez à faire au niveau de la population, surtout euh, pour les amener à prendre conscience du changement climatique et aussi la question de la protection de l'environnement avec des sensibilisations Oui, il y a des activités qu'on a eu à faire avec euh, la population, plus particulièrement vers le village de Tiguefen, vers le village de Dari, qui sont des villages périphériques de la commune. Urbain Dagadé sur la question de récupération des terres, sur la question de plantation d'arbres et surtout sur la question de, gestion des déchets. Et pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer de voir comment utiliser ces déchets-là, plus particulièrement le déchet organique. les femmes et les jeunes ont commencé à développer une stratégie du compost ils sont en train de faire du compost avec le déchet organique qu'on essaie de collecter au niveau de, marché de légumes, au niveau de l'abattoir, pour qu'ils puissent vraiment prendre ce déchet-là et qu'ils puissent euh, euh, fabriquer ou bien faire du compost. Et le compost là qu'ils sont en train de faire, c'est ça qu'ils sont en train d'utiliser aussi comme engrais au niveau de et jardin. Avant de continuer cet entretien riche en informations, je trouve fidèles auditeurs faisant une pause musicale pour écouter le groupe Tarnasa qui nous chante ici Ya dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. dont ta sa cache but à l'heure celui qui nous attaque. Et alors, là, tu sentiras rare. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, expression. L'énorme, l'intouchable, tonnerre, ça, c'est ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu. ton, ma Toxique et fidèle. Qui n'a pas d'attitude, mais il se le remet. C'est de se taire, tu sais taire. Mais attention, ta reste

groupe a repris euh, le refrain Ya euh, du célèbre groupe de ballet euh, de Gaïa. está wakuna i papa sundu desta plek na tagna sayado dedera la sok na tagna sayado meika aloya ta oya i kallu inta ga panta yamba eta C'est le morceau Ya Bismillah du groupe de rap Tarnassa. Fidèles auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. C'est le moment de retrouver notre invité du jour, Monsieur Sliman Weifan, pour la suite de notre entretien. Dans cette deuxième partie, Rokaya, euh, il nous parle des difficultés euh, à maîtriser la production des déchets dans la ville d'Agadez, car la ville est un carrefour, mais des solutions sont quand même proposées, surtout à l'école avec les élèves en bas au bas âge, pour leur inculquer un état d'esprit d'assainissement. On écoute. Si vous devez faire euh, une comparaison entre l'utilisation des sacs plastiques avant et depuis que votre agence existe à Agadez, vous me répondriez quoi Oui, comme vous le savez, Agadez, je l'ai souligné tout à l'heure, Agadez, ça a été toujours un carrefour. Et qui dit carrefour, il y a toujours des fréquentations de populations, surtout sur la question migratoire. Là. On ne peut pas toutefois planifier des choses. Et que maintenant, quand vous prenez la simple commune urbaine d'Agadez, 40 à 50% sont des exodants, sont des migrants qui sont de passage ou bien qui sont de refoulés au niveau de, pays voisins. Et c'est ce qui fait que cette utilisation de ces déchets-là, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau des acteurs, on n'arrive pas à trop maîtriser cette question de production des déchets. Mais avec tout cela, on essaie de développer des stratégies avec ce partenaire-là qui intervient dans ce domaine de, migration, avec les collectivités, comment sensibiliser ce migrant-là à mieux gérer leurs déchets. Et c'est dans ce sens, il y avait eu des formations avec le migrant, et le, la population autochtone, pour qu'ils se comprennent, pour créer une euh, cohésion entre la population et les autochtones sur euh, la question de gestion des déchets. Et aussi pour euh, inculquer cette euh, manière d'utilisation des déchets, on a eu à piloter un projet avec l'entreprise au niveau des, écoles primaires les 62 écoles primaires de la commune de Bendagades, les élèves, d'abord les instituteurs ont été formés sur la question des déchets au niveau des établissements. Et en même temps, il y avait eu la fabrication de ce panier en palmier euh, en tissu aussi, pour que ces enseignantes-là puissent, euh, à leur niveau, édifier, puissent, à leur niveau, sensibiliser aussi les élèves sur la question d'utilisation de ce palmier, sur la question d'utilisation de ces sacs en tissu et sur la question de gestion des déchets. Parce que quand vous prenez nous, on sait que qu'un enfant à bas âge peut mieux être édifié, peut mieux avoir vraiment un esprit de la culture de citoyenneté sur une pratique où vous le mettez. C'est pour cela que chaque enfant, avant de venir à l'école, on a fait presque trois mois avec cette activité. Tous les déchets qu'il croise avant d'arriver à l'école, il essaie de les ramasser. Une fois à l'école, le déverse au niveau du dépotoir. Et on a mis un système de lavage de mains qu'il va essayer de laver ses mains. À la récréation aussi, on a interdit les vendeuses de mettre de la nourriture dans des sachets plastiques. Ils ont commencé à faire des emballages, ils ont commencé à utiliser des tasses avec des enfants. Et jusque-là, il y a certaines écoles qui continuent à pratiquer cette euh, méthode de, gestion des déchets. Hier, 3 juillet, c'était la journée mondiale euh, sans sac plastique. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec votre présence euh, à Niamey en ce moment euh, Oui, c'est là une raison à notre présence. Je suis à Niamey en tant qu'acteur dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement et en même temps euh, acteur du, cadre du gestionnaire de déchets. On est là sur un projet d'envergure nationale pour vraiment essayer d'éditer contre ce phénomène, ce fléau, qui est la production de déchets et la gestion intégrée et durable de ces déchets là C'est dans ce sens que ma présence ici à Niamey avec euh, les acteurs qu'on est en train de faire deux rencontres, de réunion pour ensemble on essaie de voir quelles sont les mesures à prendre d'ici l'année prochaine par rapport à cette question du déchet plastique au Niger. Merci beaucoup pour votre temps et d'être venu nous voir ici au studio Kalango. Je vous en prie. Samira, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire et aujourd'hui, nous allons parler santé comme tous les mardis. Oui, Rukaya, aujourd'hui, euh, dans notre rubrique santé, nous parlons de la carie dentaire. C'est une maladie bucco-dentaire qui s'attaque aux enfants et aux adultes. Elle est euh, le plus souvent due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Plus de détails avec euh, Dr Asuman Bay, coordinateur national du programme national de lutte contre les maladies bucco et le NOMA au micro de Zainab Abdou. Euh, la carie dentaire est une maladie évolutive de la dent causée par la synergie d'action d'avoir une mauvaise hygiène avec un euh, à, à, des bactéries qui vivent dans la cavité buccale et qui dégradent les débris d'aliments en acide lactique qui va déminéraliser les selles de l'émail. Et de là, il y, a, la carie dentaire. Ce que les gens connaissent le plus, le trou va se créer, n'est-ce pas Et c'est ça qu'on appelle carie dentaire. Et quels sont les symptômes de la carie dentaire Les symptômes, c'est en fonction du de, de, stade d'évolution, parce que le stade d'évolution dépend surtout de l'anatomie. D'abord, il y a une couche protectrice qu'on appelle l'émail. Donc, quand c'est l'émail seulement qui est attaqué, on l'appelle carie de l'émail. En ce moment, il n'y a pas de... La carie asymptomatique. Mais quand ça va dépasser la couche de l'émail pour arriver au niveau de la deuxième couche qui est la dentine, en ce moment, la carie est symptomatique, mais les symptômes sont surtout provoqués. Autrement dit, vous avez des douleurs, mais des douleurs provoquées au chaud ou au froid. Quand ça va dépasser cette euh, deuxième couche, ça va arriver au niveau de la troisième couche qui est la chambre pulpaire. En ce moment, on parlera de pulpite aiguë ou bien communément appelée dans la ville comme étant la rage de dents qui se caractérise par une douleur spontanée et presque insupportable. Si rien n'est fait, cette pulpe va se nécroser et ça, on va évoluer vers la quatrième étape maintenant de l'évolution de la maladie qui est la desmodontite aiguë où en peut des signes des signes de douleur spontanée, nous avons une sensation de de dents longues c'est-à-dire que la personne aura l'impression que la dent là est plus longue et quel que soit l'effort qu'il aura à fournir, il a l'impression qu'il est en train d'augmenter la douleur de la dent. Comment traiter la carie dentaire En fonction de l'étape de la phase d'évolution de la maladie, il y a un traitement approprié. D'abord, il est conseillé de se faire consulter par le chirurgien dentiste pour pouvoir évaluer l'étape d'évolution et puis proposer le traitement. C'est que que quand il y a une cavité, en fonction de l'évolution, si c'est les mains ou la dentine, on fait un petit coiffage et on comble l'endroit. Mais quand, quand c'est la chambre pulpaire qui est atteinte, alors on, va, on extirpe les, les, vaisseaux, on comble maintenant l'espace laissé par les nerfs, c'est-à-dire l'espace, les, canaux radiculaires, avant de venir combler le, le haut. Voilà un peu de manière ramassée, je crois, en termes très, très simplement techniques. Et comment éviter d'avoir une carie dentaire La prévention de la carie dentaire passe inévitablement par une bonne hygiène bucco-dentaire. Et dans certains cas, il va falloir vraiment vérifier la teneur en fluor dans l'alimentation et, les eaux de consommation. Est-ce que la carie dentaire est contagieuse Contagieuse en sens, si c'est d'une personne à une autre, je ne pense pas non, elle n'est pas contagieuse parce que vous pouvez manger, vivre avec quelqu'un qui a la carie dentaire, mais ce n'est pas une raison pour avoir la carie dentaire d'une dent à une autre, parce qu'on peut, on peut supposer que c'est la même bouche et vous avez soumis les dents aux mêmes conditions. Donc, c'est pas que c'est contagieux, mais quand la dent est soumise aux mêmes conditions, c'est normal qu'une autre dent fasse la carie aussi. Après ce reportage édifiant, fidèles auditeurs, prenons une pause musicale. Samira, nous allons écouter Des Denejo du groupe Dit Démocrate, Dit Démocrate. Voilà. regardez, le ciel. le ciel. Les étoiles qui brillent dans le ciel me ah font penser à toi. Ah Salipé assis sous le trottoir, je pense à elle. Elle m'a destiné, c'est pour elle que j'existe. Aujourd'hui, les pots s'enferment, parce qu'on n'a pas les mêmes cités, C'est elle qui a les clés. que je veux m'enfoncer, La coupe aucune me pensée. j'élève l'aime ça Pour elle, j'ai fait des phases et j'ai des Mon amour, sache que c'est pour toujours. J'espère des jours, un jour, jusqu'à la fin de mes jours, que ça va aller un jour. Elle me dira bonjour, mon tio. Ma vie, c'est pour toi. Je ne vis que pour toi. C'est ma fierté, j'ai l'aime de tout mon corps. Et le ciel même, bien que je ne veux rien, j'essaie de tout mon corps, tout mon âme, toutes mes forces pour la réconforter. À jusqu'à la mort, il la agate. C'est le pacho. Deblane Joe, mi woni jo, awoni jo, mi kami, a adari kami, darima. Euh, qui signifie en français la belle-fille du démocrate, chante l'amour dans toute sa splendeur euh, dans ce titre qu'il nous propose. C'était là le titre de Bodenejo. À présent, après cette pause musicale, Rukaya, on passe à l'écho des régions. Effectivement, Samira est direction Maradi, plus précisément à Mayaï, pour parler de transhumance pacifique. Tout à fait, euh, Rukaya. La transhumance est le déplacement des animaux d'un lieu à un autre pour euh, des raisons de pâturage et de reproduction. Souvent, la transhumance des animaux entraîne des incompréhensions entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs. Et quel rôle jouent les structures pastorales pour une transhumance pacifique Pour répondre à cette question, Rokaya, nous avons interrogé des structures. Écoutons ce reportage d'Issoufou Cheibou. La transhumance est une activité pratiquée depuis la nuit de temps. Elle consiste à faire déplacer les animaux de leur place d'origine à un lieu plus propice à la production et à la reproduction. La transhumance souvent souffre d'obstacles liés à beaucoup de paramètres d'incompréhension. Quel rôle jouent les structures pastorales pour une transhumance apaisée Monsieur Hassan Bakka est l'administrateur de base régionale de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Maradi et Zander. Il est aussi expert en matière de pastoralisme. Nous avons fait beaucoup de choses et sur plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau du renforcement des capacités, nous avons développé plusieurs modules sur la gestion alternative des conflits intercommunautaires. Donc euh, nous essayons de faire comprendre aux communautés que ce n'est pas un conflit qui est, dangereux, c'est sa gestion qui est dangereuse. Il y a beaucoup d'obstacles pour une transhumance apaisée. Monsieur Ahmad Halidou le président des réseaux des organisations des pasteurs éleveurs du Niger, spécialiste en pastoralisme. La décision politique a des différents niveaux, parfois par méconnaissance même des textes, parfois, bon, et politique, et aussi au niveau de la base, toujours c'est les mêmes euh, problèmes, et encore avec la cohabitation entre l'agriculture et l'élevage aussi, que les gens n'arrivent pas à bien comprendre la dynamique, à mieux cerner leur dynamique d'ensemble. Pour que la transhumance soit apaisée dans la sous-région, il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter entre les acteurs. Monsieur Aliou Hardou est le coordonnateur du projet Convent qui intervient dans trois États du nord-ouest du Nigeria, Katsina, Kebi et Sokoto. Il est aussi expert en pastoralisme au niveau de l'organisation des éleveurs du Nigeria APES. E Les agriculteurs ont des droits et les éleveurs doivent le savoir et le comprendre. Les champs constituent la seule source de revenus des agriculteurs. C'est grâce aux champs qu'ils s'alimentent, ils assurent l'éducation de leurs enfants. En fait, ils vivent uniquement de cette activité. Alors, si le champ est dévasté, c'est toute une année qui est compromise. Les structures pastorales contribuent efficacement pour une pacification de la transhumance à travers des sensibilisations la création des infrastructures au profit des acteurs de la transhumance. Cependant, les structures pastorales, les partenaires, l'État doivent redoubler d'efforts pour que la transhumance soit une transhumance pacifique. C'était le coup des régions avec Issoufou Cheibou qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Issoufou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez Ah, ça va bien. Super. Dites-nous pourquoi le choix euh, de ce sujet donc le choix de ceci, vous, êtes, vous savez bien que nous sommes en début de la campagne agricole. Et c'est à cette période que les animaux vont, se déplacent du sud vers le nord. Et Issoufou, pensez-vous que les solutions proposées par les structures aideront à réduire les incompressions entre agriculteurs et éleveurs Oui, bien sûr, ça peut contribuer parce que ce sont les leaders, surtout les éleveurs les écoutent bien. Donc c'est pourquoi elles ont un rôle important à jouer dans le cadre de la transhumance pacifique. Merci beaucoup Issoufou, euh, passez une agréable journée. Merci. Rokaya, avant de continuer notre émission, je propose qu'on s'échauffe un peu avec euh, du sport si euh, tu es prête bien sûr. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Gourouza, notre chroniqueur sportif, euh, est dans la place. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, Ruki, bonjour euh, Mira. Alors, euh, le TGV de Yentala se prépare activement, n'est-ce pas Oui, Mira. Euh, euh, oui, Rookie. Et voilà, c'est le plus ancien des TGV de la capitale. Le tournoi des grandes vacances de Yantala a 31 ans cette année, depuis deux éditions, compte tenu euh, de la forte demande euh, de participation des équipes. On organise d'abord les tours préliminaires avant le dit tournoi. Actuellement, le comité d'organisation est dans cette phase. La compétition va débuter le 22 juillet et la finale est programmée le 2 septembre 2023. Les préparatifs vont bon train selon le président du tournoi de Yentala, Hassan Bello Amadou dit Padre. Nous l'écoutons. Les préparatifs vont à bon train. Déjà, nous avons commencé les matchs préliminaires parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2020, nous avions innové au niveau de Yentala étant donné que la demande est très forte, euh, nous avions une quarantaine d'équipes qui souhaiteraient s'inscrire, faute de ne pas organiser le TGV avec 24 équipes sur un seul terrain. Donc nous avions innové, on organise des matchs préliminaires. Les équipes éliminées au premier tour de la dernière édition joueront des matchs de barrage face aux huit nouvelles équipes euh, nouvellement inscrites. Donc on aura les huit équipes qualifiées c'est-à-dire euh, l'année passée au premier tour, elles sont déjà directement qualifiées. Donc il y aura huit matchs de barrage et puis les huit passeront pour affronter les huit nouvelles équipes. les perspectives, c'est toujours euh, les mêmes. Inch'Allah, on aura, côté technique, on aura ces équipes reparties en quatre poules de quatre. En termes d'objectifs, euh, les objectifs seront toujours les mêmes. À la pérennisation du tournoi, donner une aubaine aux jeunes talents afin de se faire repérer par l'élite du football nigérienne, pourquoi pas étrangère. Euh, essayer de lutter contre l'extrémisme violent, occuper la jeunesse parce que pour nous, une jeunesse qui n'est pas occupée est une bombe à retardement et essayer dans la mesure possible de donner une vitrine au football féminin pour que le grand public sache qu'il existe au Niger, en leur donnant l'opportunité de jouer un match d'exhibition lors de l'ouverture de la finale, ce qui fut fait l'année passée. Alors Gouza, je suppose que nous irons à présent à Agadez pour parler de la fin du championnat de la Ligue régionale du foot, n'est-ce pas ah Oui, l'AS Toudou représentera la région d'Agadez au tournoi qualificatif pour la montée en Ligue nationale. C'était dimanche dernier au stade Sidi Mohamed d'Agadez. Devant les huit équipes engagées, le mythique club du quartier Toudou, j'espère que vous connaissez ce quartier-là, AS Toudou a obtenu son ticket face à l'Aigle FC d'Agadez. Voilà pour le sport. Merci beaucoup Gourouza. Place au portrait du jour qui nous plonge dans notre domaine, celui du journalisme. Le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'Amina Nyandou, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger. Samira, elle a un parcours académique atypique. Selon elle, elle n'était pas destinée au journalisme au départ car elle, a fait le lycée technique de Maradi. Rekia Arimi est partie à sa rencontre. Voici son reportage. Âgée de 49 ans, Amina Nyandou est veuve, mère de trois enfants. Après l'obtention de son diplôme en maintenance audiovisuelle, deuxième technicienne majeure de sa promotion en 2000 à l'EFTIC, Amina est actuellement titulaire d'un master en communication pour le développement. Présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC section du Niger et aussi une femme battante qui milite pour les droits des femmes. Un combat qui a vu le jour dès son bas âge. Elle nous raconte. Bon, euh, ma motivation, elle provient de ma cellule familiale. Euh, je suis ici d'une famille de 10 enfants, dont 9 vivants. Et sur les 9 vivants, sur les 10 globalement, nous sommes 8. Et je pense que le fait que nous sommes majoritairement filles a joué beaucoup euh, sur ma condition actuelle. donc du coup, toutes ces choses-là euh, m'ont amené un sentiment de défendre la cause des filles. Déjà à l'école, à l'école primaire, j'étais la déléguée pratiquement de de mon école primaire, quand on, fait des choses, on, nous déléguait toujours pour aller prendre la parole. Ou, au collège également, euh, c'est avec nous que la section collège-lycée a commencé. Donc euh, j'étais militante et particulièrement j'étais euh, l'une des rares filles à, à, piloter un collège. Donc j'étais présidente de collège parce que c'est l'année là qu'on a eu l'idée avec le nombre des filles de faire des présidentes uniquement pour des filles. Amina Nyendo milite dans plusieurs associations qui se battent pour les causes de la femme. Je suis membre de la Congafed parce que APAC est membre fondateur de la Congafed, le collectif des organisations féminines du Niger, des ONG et associations féminines du Niger. J'ai aussi d'autres activités pour ma passion de servir également ma communauté. Je suis membre de, de, de Rotary, International Et donc Rotary Niger, euh, je suis membre du club Croix du Sud Niger. Euh, je suis membre de Toastmaster. Toastmaster, c'est un mouvement qui permet d'améliorer notre capacité de prise de parole, de leadership, machin. Donc, je suis membre de Toastmaster également. Madame Amina s'est dit satisfaite de son combat. Ah, j'adore. J'adore ce que je fais. Peut-être que c'est intrinsèque, la passion que j'avais, que j'ai pour les femmes, parce que je l'ai toujours. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai arrêté de me, de me présenter comme experte genre. Je me présente euh, juste comme un féministe. Je suis féministe dans l'âme. Je me bats pour les questions de femmes, parce que maintenant, avec l'évolution, les gens font l'amalgame, genre, les gens pensent que c'est le genre, euh, c'est fourre-tout, machin. Non, euh, moi je préfère dire que je suis pour les droits des femmes, je défends les droits des femmes, je fais en sorte que la femme soit valorisée. Ses collaborateurs, Amina Noma, chargée de programme à la PAC, et M. Massaoudou, apprécient le courage de Mme Amina Nyandou. Ce qu'elle fait dans sa vie, qui elle est. C'est pour cela que je dis waouh. Madame Amina Nyendo, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme battante. Et je vous assure, euh, dans toute ma vie, moi je n'ai pas connu de femme pareille, femme battante, femme qui lutte pour, euh, pour son prochain, femme qui, qui défend les autres. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Et sincèrement, au début, je n'avais aucune idée de ce que c'est que la gestion de projet, ce qu'il faut faire, la rédaction de termes de référence, faire des budget, tout ça là. Sincèrement, j'ai tout appris de cette femme. Elle m'a tout montré. Elle a été très patiente avec moi. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je lui dois tout. Et je disais, je suis à Pâques depuis 2016. Aujourd'hui, c'est nous sommes en 2023. Regardez le temps que ça fait. Elle nous pousse à aller au-delà de, de nos limites. Des fois, on trouve que c'est dur, on ne peut pas y arriver, mais quand même, elle nous aide à aller de l'avant. Sincèrement, Madame Amina est un très bon mentor. Je remercie le bon Dieu de l'avoir croisée sur mon chemin <laughs> dans ma vie. oh, c'est une femme d'exception. Hein. Je sais que c'est une femme très battante, franchement. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec elle des heures, des heures, des heures et des heures. Ça, moi, je suis actuellement, je sors de l'une de ses activités. J'aime des choses, euh, des attitudes qu'elle a dans la collaboration, c'est-à-dire elle est franche, elle dit ce qu'elle pense, euh, elle débat, elle donne ses arguments, elle sait défendre ses idées. Chacun a un talent dans la vie qu'on le connaît ou pas, c'est un renforcement des capacités et un accompagnement qui peut faire en sorte que ce talent émerge pour que les autres le découvrent, déclare Madame Amina Nyandou. Au Niger, les femmes sont une majorité, c'est à elles de se battre pour avoir cette considération. Après ce portrait très inspirant que nous a proposé euh, Rekia Arimi, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique dans cette émission, pour apprécier cette vieille chanson dédiée à toute la communauté kanori du Niger, la chanteuse, la chanteuse plutôt, c'est Mariama Kalou. cette chanson, euh, Maria Makalou fait des éloges comme nous l'avait bien traduit notre collègue Rekia Arimi. Alors, Rokaya, c'est l'heure du loti du jour et aujourd'hui, dans cette rubrique loti, les femmes du studio Kalangu nous parlent de l'espacement des naissances. En effet, Samira, le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,1 enfants par femme en moyenne selon les Nations Unies. Pour bien espacer et limiter les naissances, le meilleur moyen est l'utilisation des méthodes contraceptives. Écoutons plutôt Rekia Arimi et

su. Me eh, hamsa he ni se no ay goga salambo alhana ise mahamu he manoni ni gokoi. e ga kaneo irkoy beri da fundugo gobore ga dicere da ay ga fongo gir takino ya kan ay mandinin alhana mamu zan kai no nay lakkalaiza mata nigo samai go. dole no me yi min lakkalaiza ni koi zan kwanai ku ga fatta ifo se no ni manina yin yan ai se hmm ai dai ga ti nya mamu tubarkalla Oho mamu, ni diya yara zakai wala? Kai kai kai, wai ni goga kiman dino wal mate. Igiri marge. Sintina wana gwanda jiri hinka, hampanta mu gwanda jiri fu, da wani kan kayan fandara a handu iye. Irkwai beri, ni gini bonwin yaki ni gafa. Nisi gendidan hanyar ai da kyarga mara baino. Gendidan hanyar ai da kyarga mara? Ifa ga tiyadin kwai ne. A gannan no ni ga hamu mu fullan zama hannu ga gunda sambo. ga genda da hayyan ai gamara a gannan ni mudu iza lokaci kan ni ba ah ai faham to mata no ai gite tina ga dai makwai ga shawaran da ni fu koyo da a yarda ni ga hinga kwai loktor kwara ima kuri sambuni se ga imi nowo kan ga himan da ni so ku fason kan satafoyin gona kan ga hagwai da wadini kwai ne nan kul kan ni kwai isi ba da latariga to da ai koyo maniyar dafa zama borno kan a harka ga gabu kwai ne borai dindumano kan gane izbo duyan arzakano hmm, hmm. ifo arzaka to da maniyar da nigi hinga kwai di sataidin kan aice ni se imu kaga gendidan ngai ai dicar mara amfano ki ase silman kaina igane ase kan gendidan ngai ai dicar mara wo asi wai borganji hayyan a ganan no amu fullan zam hinne hal aga gunda fo hamsa za ne iga bai kan ni farga wani matkan ni zenun da hmm, boradin bon yan wowo ga gabu aino ga bai gumo te haikul kan ni gite ni fuko ma yarda aga hinga ba ni ga gendidan hayyangai da kyar gamara fonda sambu yon wodo zama a sanno no ganwa han ni ga te ni, aigin no fahamai kai na fo zama haifon gona kan himni mutu dindu iza banda a himanno nima nangiri hinka an niga san bugun da ni sibai kan da ni izai na nasu hayyan takenta niga tabi kwai ne bor ma gwai da fondaiwo a gwanda ma'ana gumo fonda foyon no gono iga kyada za sin tina ga aici ni sai kan ni si ba dalabana tina kulgo gwamnati gindabo din koy loktor kwara igene fahamandi gendida hayyangai da kergamara fonda kulubon fonda foyan mu gono ni dikan irgo afrikira nanan diyan sanniga ka da irwan turi foyan kan wai buraiga amfanin da bakan isiga wani labari kano yan nomi to fonda yiwo si hayyangai gangi sam a a he ni lakkale kanandi zani na gendidan hayyangai da kergamara nan diga gunda sambo ni dai ai bumbo na afo sambo amma ai ba ni samai Aha. Oh me? To, ai kwanda ai hayan wo da gida. Zama ai ba ai fahamu kuma halai ga kwanda sannowa ai fu koyodo. Fonda yi wo, sinda lahani haitu wase. he nan ai maki nise. gendi da hayyan da kyar gamara wo sin da masal kulwai borai ga ni lakkale kanandi. Wallahi ai sabo charo a to ni gadi zama gendidan hanyar da kyar gamara a wanda amfani beri mazenya da izabano zan kai salum yanwo matakan ahiman da fulan zamai haifo hey a gaba gumo hmm, to zainab baba haya irma haya Chers auditeurs, c'était le loti offert par les femmes du studio Kalang. Chers auditeurs, passons à présent au mot du jour avec Gungu Mohamed Avec lui, nous allons découvrir le mot citoyenneté en français et en Hausa. Bonjour Gungu. Bonjour Samira, bonjour Rukeya. Eh bien, le mot du jour aujourd'hui, c'est la citoyenneté. La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de cité ou plus général d'un État. La citoyenneté définit un ensemble de droits et de devoirs. Les citoyens réclament légitimement de l'État le respect de ces droits parce que l'État réclame légitimement aux citoyens l'accomplissement de certains devoirs communauté des citoyens, qui par l'élection choisit les gouvernants. La citoyenneté porte des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, la morale, le civisme, la solidarité, qui sont l'expression de ces valeurs à travers les respects des autres, la tolérance mutuelle, la liberté de conscience qui traduisent une volonté à s'engager et vivre ensemble, le comportement civique est un comportement qui prouve son civisme et sa qualité de bon citoyen fondée en particulier sur le respect des lois et des obligations envers les autres individus, l'État et les institutions de la société. Je m'en vais raconter ce même mot en Hausa. Alors, en Hausa, la citoyenneté, c'est un kasanti. 'yan shi ne kasancewar wani mutum ga iyali ga wani gungu ga a hukumce aka san da zamansa na ɗan ƙasa wato mai matsayin ɗan asalin gari ko ta daula 'yan kasance na ɗauke da daraja kamar 'yanci daidaito 'yan uwantaka halin kirki 'yan kasance zumunci wa'anda su ne ke nuna wannan darajojin ta hanyar mutunta sauran mutane wa juna 'yancin sanin ya kamata da ke nuna son tabbatar da zaman tare nuna girkin 'yan kasanci na gari ya dogara ne bisa mutunta dokoki darajanta sauran mutane darajanta ƙasa da tsangoyin al'umma ɗan ƙasa na da istabali bisa doka na ya tambayi ƙasarsa mutuntawar 'yancinsa saboda ita ma ƙasa na da istibalin na tambayarsa da ya cika wasu haƙoƙin da suka wajaba a kansa. To a takaice kun shi bayanin da za mu yi a kai na gode. passer une agréable journée. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Samira, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Eh, janai bon ka da studio kalango gati har bobu yanno iberi yanno ir musamman rora ra radiye kan gona gaba ir mana bai gudu radio kanka imine e, e ka janai shenge bon lokaci kan ihinna e magani goga ka halimu du wakile musambir sai muka kirke kira interviewe ir rai don ka ninga wadin no ke birse kan studio kalangu agofon girga kirkendi ga di har sun hannun mu kan agote kan ganan amirken diga ta ba labo sai da labo jin borai kan gana in bai kan irgono don ka dinga wadin gin koyan beru no irbon ise gin koyan beru no labo sai ga kalir mi hingene kan irga studio kalangu sabu gumgumo do den kanir no irga ma ara harbo biyan sigir bo biyan kan gira avantage wadin harno kan hansa sa go sai gumgumo kan istido kalangu ago fongir zen nega dan kanin ga sai watu kulu istido kalangu irgwa banda kinin da zari kanga nan irma ma inda yi ma hangani sai dini ke irma yego tu ise dan mon kai gote sai fisi bi lillahi wo isin ga mani sai da irko mi bana masha Allah sigire rawon kai ga kanu ai sai iga bagumu amma ndi premier ma dai kanka ci sintina jane do fa kara sigiro din hinkanta ko kai iyalai da zan kai tarbiya education wana a do harai o sigir wadin da matkirgiti kirga hama ya hananan da dir wanda dir zan kai dir iyalai fisibi da lawadi yan wat kulu dir mare aga hansa kani sa ga furi ga hama ira irga bare mo lokaci kulu di gudu wadi yan semeno rai mi hin gini ti ise sori hin ko ko hin zubumbo insha Allah Chers auditeurs, le studio Kalangou, c'est aussi et surtout la grande édition du soir et justement notre collègue Nafisa Adamou est avec nous pour les titres. Bonjour Nafisa. Bonjour Keïa, bonjour Samira. Bonjour. Dans nos éditions du soir, vous entendrez le maire d'Ingal qui se réjouit de la probable reprise des activités de la Société des mines d'Azélique après la signature d'un protocole de partenariat entre le ministère des Mines et la compagnie chinoise de l'uranium. Nous irons ensuite à Maradi pour parler de l'évolution de la campagne agricole qui, selon le directeur régional de l'agriculture, est satisfaisante à la troisième décade du mois de juin. Le magazine s'intéresse à certaines activités génératrices de revenus pratiquées par certaines jeunes filles déscolarisées à Bernoukwani. Rendez-vous donc à 17h. Merci Nafisa. Alors, nous sommes à la fin de cette édition du Niger sur Kelango. Vous étiez en compagnie de Roketo Abdurrahman et de moi-même, Samira Wafi. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est donc pris demain avec un nouveau duo. À la technique, c'était Issa Lawali et la grande dame Adama Dawachi à l'édition. Mais avant de nous dire au revoir, on vous laisse avec le titre Arnée de feu Moussa Poussi. Passez une excellente journée.